bi nga xam ne réew mi si boppam jafe-jafe yi bari na te langue de bëri wër gën dëkk am na ay kaw Covid yi nga xam ne am na fi te am école yi nga xam ne suñu njaboot fi la ñu nekk war na mën a taxaw sàmm suñu njaboot yooyu moo waral tey ji tey don yi nga xam ne indi nañ ko si école bi mouvement pour la solidarité et le développement de Saint-Louis ñu taxawal ñëw seet directeur d'école yi ñu waxtaan nag ñoo pour jox leen matériel bi nga xamante ni xale yi daanu mën a sàmm ci école yi ba nga xamante ni que yàlla dana mën a musal ci mbas mi nga xamante ni que moom moo lëmbe àddina bi kenn ku nekk si ñun war na jël sa matukaay ndax kenn ku si nekk tey tey tey yaa nga si biir kër am nga njaboot njaboot gi dañoo gën di dem tax xam la bu ñëw lu indaale kon kenn ku ne war na waxtaan ak njabootam di leen ñaax xale yi bu ñu ñëwee balaa ñu dugg si kër gi war na raxas kenn ku ne war am gel alcool bi nga xam te ne ko bàyyi sa kër masque itam war nga am benn paquet daal war nga teg si ko si njaboot génn nga jox ko bu dee si na raxasu bu ñëwee tey mu xam fan la woon na ma teg tànkam bu manqué euh, masque tam nga jël daal koy jox kon nekk la am kenn ku nekk si ñun bu jëlee bu jëlee matukaayam si lool ragal naa yàlla sunu dana mën a jeex mbas mi fii si réew mi nga xamante ni mooy Sénégal rawatina ndar gi nga xam ne fii la yeewoo maa ngi woo képp ki xam xamante doomu ndar nga te nga xam ne situation bi tey tey tey tey l'heure est grave war nga mën di jóg quartier boo mënti nekk maa ngi lancé appel kenn ku nekk na jël jël taxawaayam bu fekk opinion publique nga war nga mën a jóg di wax ndax wax rek moo mën a war nit nag booy wax bul bañ ku la dara wax leen ngir yàlla su ma dimbali nu mbas mi nga xam te ni moo ëmbale moo lëmbale réew mi lëmbale ndar gi yàlla su ma doon dimbali ba nga xam te ne jeex ndax ku ne xam district de santé fees nañu hôpital fees na dell ni ñi si bopp ma kenn na ko sax dem hôpital ndax koo wax rek mun la ko su ma demee doon may téye le message est très simple nos hôpitaux souffrent nos hôpitaux sont saturés et que la maladie elle est là elle est réelle prenons l'exemple de la situation statistique de, du mois de mars au mois de novembre la ville de Saint-Louis a enregistré 22 décès et pourtant entre novembre et janvier aujourd'hui hier ils ont enregistré 44 décès. Ce qui montre que la maladie est en train de faire des ravages et que pourtant les gens ne prennent pas les précautions idoines. Donc, l'appel que je lance, c'est que nous tous, saint lusiens nous devons nous mobiliser contre ça. Et ne plus rester silencieux. Mettre les moyens à la disposition des gens. Faire de sorte que toute personne, enfant, adulte, vieux, soit protégée contre cette maladie. Je lance un message euh, cri de cœur déjà pour, à l'endroit des parents d'élèves, pour leur dire de veiller à ce que chaque enfant, avant de sortir de l'école, avant de sortir de la maison, au lieu de leur donner l'argent du petit déjeuner, pensez d'abord à ce que l'enfant porte son masque, parce que c'est ce, qui est, c'est, ce qui est recommandé. Quand l'enfant quitte la maison sans masque et que vous, vous osez au moins lui donner 300 francs pour son petit déjeuner, ça veut dire que vous avez euh, de quoi acheter un masque. Donc, il faut veiller à ce que les enfants soient vraiment protégés de ce virus. Il faut que les enfants se lavent les mains dès qu'ils entrent à la maison. Avant de saluer personne, il faut que les enfants lavent leurs mains avant de saluer, leurs parents. Avant de venir à l'école, veillez à ce que les enfants portent leur masque. Saluons, nous saluons le, ce geste parce que le MSDS, euh, ce qu'il a fait aujourd'hui, doit être copié par tout bon saint louisien qui a les moyens. Euh, euh, parce que, comme je lui ai dit tantôt, euh, comme disait Feu Golberdian, donc quand tu as les moyens et qu'en ce période, nous savons que l'éducation est une compétence transférée. Donc tout, c'est pas, pas à seulement Monsieur le maire de, faire ce geste. Tout, bon saint qui, a qui a les moyens doit vraiment copier ce geste et venir en aide à l'école sénégalaise. il faut population la population mbir et nous nous disons et répétons le Sénégal def au niveau mondial mu exemple def ko ci paludisme def pandémie Covid bi gagné gagné du médecin du mais leader d'opinion pendant gagné problème du problème mais problème prévention la

di nga di nga jënd sukar a warga nañu xam ni sukar a warga bokk si quotidien kër yi noonu la masque yi bokk si quotidien kër yi tey ni ngay jënd chemise di jënd pantalon noonu nga war jënde ma masque ba bële ba bële li dem te am naa njort ni même su pandémie bi jàllee am na si yoo xam ni dañ si war jàng xam ni tey masque yi même sur pandémie sax dana dana dana lu bare bare bare bare bare bare bare kon nag vraiment au nom du du du maire de Saint-Louis pour la solidarité et le développement ñu ngi leen di